Alors est-ce de l'art ou de la barbarie Faut-il interdire la corrida La question, vous le savez, s'invite à l'Assemblée nationale, portée par le député euh, antispéciste euh, Émeric Caron. Elle divise cette question, tous les groupes politiques. Peu de chance hein, que la mesure soit adoptée. Hein. le gouvernement s'y oppose au nom de la défense de la culture du Sud-Ouest. Mais quand même, ça pose cette question, est-ce que le droit doit s'incliner devant les traditions posons la question sur la corrida, imaginons qu'elle se pose sur d'autres sujets, vous allez voir combien cette affaire en réalité n'est pas si simple. Et l'on en parle ce matin avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. On parlera de Donald Trump également aujourd'hui, ça est, il est officiellement candidat à la présidentielle 2024. Bon, il y a l'air de rien, l'étape des primaires qui va se présenter à lui devant cela, mais qu'est-ce que ça nous dit de la démocratie américaine, le regard que l'on porte aussi sur Donald Trump et les États-Unis en ce moment. Mais d'abord donc, la corrida, Mathieu Bocoté. Alors ce sujet vous, vous passionne-t-il, vous qui êtes québécois, ou je ne suis pas certain qu'il y, ait, des, des corridas chez vous, non, le sujet ne me passionne pas en lui-même, mais, mais là où il m'agace, en fait, mais sans surprise, c'est euh, de la part du polémiste très controversé Émeric Caron, euh, député par ailleurs de manière accidentelle, qui, euh, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire cela, qui cherche à idéologiser une question qui justement devrait se dérober, ah, devrait, mais c'est pas ce qui arrive, devrait se dérober à cette volonté d'aplatir toutes les formes de tradition, toutes les formes de culture locale, Mhm. un rapport particulier entre l'homme et l'animal, un rapport particulier dans la mise en scène du, rapport plurimillénaire entre l'homme et l'animal, le rapport à la souffrance, le défi que l'un pose à l'autre, le risque que l'un pose pour l'autre. C'est tout un rapport, je dirais, c'est presque toute une anthropologie qui est portée par ce, mélange de sport et d'art et ainsi de suite. Donc j'aborde la question sans passion, mais avec un sérieux agacement devant ceux qui, encore une fois, cherchent à araser le monde, à le déconstruire et, et, et finalement réduisent le rapport entre l'homme et l'animal à la seule éthique de la non-souffrance France. Hein. Parce que c'est la thèse des antispécistes, c'est que finalement, l'homme ne serait qu'une nuance du vivant et ne devrait pas avoir un statut particulier dans le vivant, dans la création. Et dans leur logique, eh bien, à partir on, devrait penser le rapport à l'animal seulement sous le signe de la souffrance animale. Cette logique, à mon avis, elle est réduite, elle hmm. aplatit la culture. Et voilà pourquoi, en ces matières, si je devais voter, ce qui n'est pas le cas par ailleurs, je ne voterais certainement pas pour l'interdiction de la corrida. je rappelle le soubassement juridique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la corrida bénéficie d'une hmm. dérogation euh, géographique au nom des traditions locales ininterrompues euh, par rapport à la législation sur la maltraitance animale Parce que c'est vrai que planter des banderilles dans le dos d'un taureau et l'achever, euh, ça, malgré tout, ça pourrait euh, un observateur extérieur euh, comprendrait que ça relève de la maltraitance animale, Louis aux Mais voilà, il y a cette exception toute naturelle culturelle, géographique. C'est prévu dans le droit et au même alinéa du code pénal, d'ailleurs, il y a une autre exception prévue pour les combats de coqs. Mhm. Autre tradition, alors encore plus méconnue car encore moins euh, répandue. Plutôt nord de la France. Et hein. vraiment en voie d'extinction dans le nord de la France et dans les Outre-mer aussi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à l'Assemblée nationale, c'est que la proposition de loi de Caron ne porte que sur la corrida, et ne s'attaque pas à hmm. la suppression de ce qui suit dans le même alinéa du code pénal, c'est-à-dire hmm. autorisation également des combats de coq dans les régions où il existe une tradition euh, pour ce genre de, de pratique. Je crois qu'il rêverait d'un amendement pour y ajouter des questions. De toute façon, je pense que la question euh, des combats de coq viendra aussi dans l'hémicycle au cours de la discussion, mais euh, on ne peut pas tout avoir dans, une stratégie législative. Si Émeric Caron veut que les députés d'outre-mer notamment votent contre la corrida, il ne peut pas également s'attaquer aux combats de coq. Donc on va en fait, on, est dans un, on est vraiment sur les, sur les traditions, c'est vrai. On est sur une question géographique. Le problème, à mon avis, que, que ça va poser dans la représentation euh, de ce que va faire l'Assemblée nationale, de ce que va discuter en tout cas l'Assemblée nationale, mhm. c'est le risque de l'impression donnée que des députés parisiens, franciliens, urbains, parce que ce sont plutôt eux en fait euh, qui euh, sont favorables à l'interdiction de la corrida. On a vu que c'est pas si évident. Vont aller voler. La, partage des eaux, c'est pas urbain contre on est bien d'accord. Mais quand même, vous voyez, vous allez voir que évidemment tous les députés qui représentent euh, des territoires où il y a une tradition taurine, qu'ils soient bah, de droite, de gauche, macroniste, Regardez Rassemblement national, ils vont quand même voter contre en général. Alors je vous, en cite un ah, justement. Jean-René Cazeneuve, donc député Renaissance du Gers, qui nous dit, alors c'est très intéressant. De toute façon, il n'y a pas besoin d'interdire, ça va dire disparaître tout seul, inutile d'humilier des gens par une interdiction brutale. Sous-entendu, une tradition, c'est fait pour mourir. C'est intéressant ça quand même. Hein. Bah, surtout, c'est fait pour. Euh, enfin là, le, discours qui est également tenu, c'est que une tradition doit aussi échapper au cadre législatif qu'on voudrait lui imposer et euh, cheminer par elle-même. Et donc, ah si elle doit s'éteindre, eh ben, elle s'éteindra sans doute. Et c'est vrai, et c'est vrai que le, peut s'éteindre pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a moins de pratiques. Hmm. Deuxièmement, parce qu'effectivement, l'époque l'époque ne valide plus tout l'imaginaire de la corrida. Et on pourrait passer des heures sur euh, tout ce qui est véhiculé par la corrida, le fait que le, taureau comme animal sublimé, et en fait sa mise à mort, euh, et, quelque part l'acheminement. Le, d'un culte qui est voué à l'animal. Alors attendez, Mais tout ça est inaudible à notre époque actuelle. Et c'est pour ça que ça va sans doute s'éteindre dans quelques dizaines d'années. Je vais être taquin. Décloisonnons. Vous avez parlé de culte. transposons ce débat sur la tradition et son rapport au droit à d'autres questions au hasard. Le port du voile. Mathieu Bocoté. Ah, mais le fait est qu'il n'y a, pas une interchangeabilité des traditions. Il existe des traditions françaises et des traditions qui ne le sont pas. La dérogation géographique, c'est vrai que ça fonctionne moins bien sur la question du, port du voile. Non, mais le fait est qu'il y a la dimension géographique. Il la tradition à la loi. Oui, mais on peut. Alors, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de la planète, il y a plusieurs, mm. plusieurs pays, plusieurs traditions. Or, il se trouve, et c'est la part manquante d'une forme d'égalitarisme, c'est d'oublier que toutes les traditions n'ont pas la même empreinte, n'ont pas le même poids dans un pays ou dans l'autre. Et le fait est que la corrida est quoi qu'on en dise, une tradition française qui touche certaines régions en particulier, et que le voile ne l'est pas et n'a surtout pas vocation à le devenir. Et c'est à ce moment qu'on doit tenir compte, le législateur doit tenir compte. Et ça, je, alors je, je, je, je vais mobiliser une fois Jean-Jacques Rousseau, qui nous disait assez justement dans ses, ses écrits sur la Constitution de Pologne, il dit qu'un législateur intelligent doit tenir compte de l'esprit du peuple et des mœurs à, qui il destine une Constitution et des lois. Vous avez vu l'esprit du peuple, à 80% les Français sont Mais ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a manifestement, c'est un respect de code. Si on, si je, dirais, ne dis pas ancestraux, c'est le respect de codes culturels, d'une spécificité propre à un pays. Et ensuite, il se peut que le passage du temps fasse en sorte qu'un jour, ça nous devienne si absurde que cela tombe de soi. Mais l'ardeur des, euh, déconstructeurs, parce que c'est de ça dont il est question finalement, cette volonté de tout encadrer, de tout idéologiser, de, de intégralement le réel pour le soumettre à une seule idée. Parce qu'ensuite, il y aura une prochaine étape. Hmm. Dans l'esprit des briques ensuite, il faut comprendre que l'idée même de manger de la viande, c'est de la souffrance animale. N'oublions jamais. Que... Le foie gras, mais voilà, mais c'est Monsieur Moustique, faut jamais l'oublier alors euh, monsieur souffrance de moustique. Alors quand on garde cela à l'esprit, un jour il y aura une, attaque contre la chasse, parce qu'on va nous dire que la chasse aussi, c'est une forme de mise, en, euh, mise à mort absolument barbare de l'animal. Or, la chasse, ça conserve un rapport primordial dans le rapport entre l'homme et l'animal. Donc un jour, il faut savoir à quel moment dire stop à ces excités. Je mm. pense que ça peut être autour de la question de la corrida. Qui n'a jamais pleuré devant le cri de l'huître que l'on arrose de citron Vous avez raison, mon cher Mathieu. à <laughs> Béziers, fait comme les Biterrois, donc je vous ai bien compris. 8h52, je vous voudrais que l'on parle un petit peu, messieurs, de Donald Trump. <laughs> ça vous a plu, ça <laughs> Je voudrais que l'on parle de, Donald Trump. Ça y est, il est officiellement euh, candidat à l'élection présidentielle américaine pour 2024. Euh, Alors, il va un peu vite en besogne, sans doute, car il y a l'étape des primaires. On se rappelle <clears throat> que les primaires, c'est facile, une dizaine, quinzaine de candidats euh, à chaque fois. après, ce qu'on présente en France comme la raclée des midterms, pour, en tout cas, euh, l'échec à avoir porté une vague rouge euh, lors de ces élections de mi-mandat, dont mm. Joe Biden finalement sort en assez bonne forme, Louis Osalter. L'éternel retour de Donald Trump, donc. Euh. Oui, alors échec plus en fait de Donald Trump lui-même que des républicains, parce que les mm. républicains vont quand même reprendre la Chambre des représentants, donc ils vont pouvoir avoir un, un, moyen de blocage des textes de Joe Biden qui va devoir transiger. Oui, mais on le décrit un peu comme un mort-vivant ce matin, là, Donald Trump. Il s'enferrait, il s'entêterait, bah, alors vu n'aurait plus aucune chance. on est quand même beaucoup dans une répétition, c'est-à-dire qu'il essaie de rééditer un moment où il avait bénéficié d'un effet de surprise. Et d'ailleurs, la temporalité est très différente. Quand Donald Trump se lance en 2015, donc un an avant la présidentielle. Il est le dernier chez les républicains à se lancer. Il se lance juste après Jeb Bush, qui à l'époque est le favori et euh, dont il va complètement annihiler euh, la déclaration de candidature hmm. en créant lui-même la surprise et en polarisant le débat autour de lui, de ses outrances, de son discours. Et Jeb Bush, déjà son Floridien, hein, je précise. oui, alors hein. ça joue beaucoup en Floride, toutes ces histoires-là, je suis d'accord avec vous. Or, cette fois, Donald Trump est le premier à se lancer officiellement dénotant par là quelque part qu'il n'a pas grand-chose d'autre à dire euh, c'est-à-dire que euh, le projet de Donald Trump, depuis qu'il a été battu, euh, d'ailleurs des faits qu'il conteste, dont il conteste le fondement juridique, son projet, bah, c'est de revenir à la Maison Blanche. Donc il y a une grande différence entre le Trump de maintenant qui nous rejoue un peu une, redite et le Trump qui portait, qui, disruptait complètement la règle du jeu, qui inventait mm. une nouvelle règle du jeu dans la démocratie américaine, qui, s'adressait déjà à un public, c'est la classe américaine blanche déclassée, inquiète, qu'il a su tout à fait mobiliser et qui mobilisait un nouveau style politique, y compris en allant jusqu'à contester euh, des résultats d'élections. Or, euh, ce Trumpiste-là ne prend plus. Après, il faut euh, bien voir que Ron DeSantis euh, tient un discours qui est lui-même idéologiquement assez proche de Donald Trump. Il a pour hmm. lui la jeunesse, la, plus de nouveautés et le fait qu'il est plus le vent en poupe. Maintenant, c'est lui maintenant le, qui est plus la nouveauté que Trump. Vous êtes d'accord, Mathieu Bocoté Trump, coquille vide aujourd'hui, le pouvoir pour le pouvoir bah, C'est que c'est devenu la, figure de l'insurrection perpétuelle de manière un peu caricaturale. Or, il y a un paradoxe Trump, c'est-à-dire que la, sa personnalité est tellement écrasante qu'il ne nous permet pas de voir qu'au-delà de sa personnalité, il y a une véritable mutation au Parti républicain hmm. sous sa direction. Hmm. Alors, je résume en un mot, le Parti républicain des années 90 et 2000, plus encore, c'est un parti triangulaire. En d'un côté, les néoconservateurs, de l'autre, les libertariens, ou tout le moins la droite économique, et aussi la droite religieuse. Or, qu'est-ce qu'on voit Cette coalition-là, qui est très liée à la figure de, Bush-fils, plus, plus encore que de Bush-père, ne tenait plus. Et Trump a opéré une mutation du Parti républicain sur le mode de ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon aujourd'hui du national-conservatisme. Donc, euh, on pourrait retracer ça d'ailleurs autour d'une figure comme Pat Buchanan dans les années 90 et 2000. Donc, essentiellement un conservatisme centré sur le, un nationalisme économique, une méfiance envers l'interventionnisme à l'étranger et une définition plus identitaire, entre guillemets, de la nation américaine, donc critique de l'immigration, ce qui ne se faisait pas auparavant et tout ça. Euh, et aujourd'hui, ajouter à ça le combat anti-woke, qui est très important aux États-Unis. Alors, que représente euh, DeSantis à travers tout ça? C'est qu'on présente cest le substrat programmatique du Trumpisme pensé ici hmm. comme national-conservatisme, sans les outrances d'un personnage qui, euh, qui à la fois pour ses fidèles une figure charismatique, mais pour tous les autres un repoussoir absolu. Donc, est-ce que ensuite le, drame de DeSantis, c'est qu'il est plutôt terne, ce n'est pas une figure charismatique, c'est pas une figure. Donc, il a pour lui la force programmatique dans un pays qui se redéfinit sur ses lignes de clivage, mais il n'a pas la force euh, charismatique, et c'est l'inverse pour Trump. Reste à voir si ces deux-là vont se faire euh, hmm. vont, se euh, mener, mener, bataille l'un contre l'autre. Intéressant. En tout cas, merci à tous les deux, Louis Osalter de Marianne, à l'une de Marianne cette semaine. Demain, le vrai pouvoir des ONG. Ah, ah Très, intéressant. Hein. Mathieu Bocoté va déjà s'abonner. déjà abonné d'ailleurs. Je l'achète chaque semaine.